Au Sénégal man Ahmadou Diop saint fidèle chroniqueur hebdomadaire accent serviteur molin di nuyu ci sunu waxtaan wi ñu tuddee xew koy defal bu fi yalla baye bu len fi talaata bu à partir de 17h GMT heure de Dakar soit 19h heure de Paris Nous leen ko le ñu koy à travers les ondes de notre radio Sunu cœur FM la première radio panafricaine nek à Californie ci Los Angeles sommes une radio exceptionnelle

De tilim taq rip am rew lëmm kenn du ko dénk Badola badola boo ko dénkee am ni moom lay fal ak askanam ak Today te day bew te day fuuy te amul kaddu te workat bu mag la sunu mi fen ak xaalis fale les du fale waaye nag moom na ba fen ba le coronavirus plus himself makisale himself waaye nag moom ci yilif ci la l'aventurier est abonné aux fake news euh, euh, et au nouvel ordre mondial apocalyptique Wow! à tout point de vue les professionnels de santé politique en bande organisée reconnaissent bien dans leur fort intérieur l'efficacité de la chloroquine qui a fait ses preuves médicales dun sur dictat des politiques qui s'érigent en médecine à la place des professionnels de santé dans une certaine mesure c'est la nouvelle dictature du coronavirus plus le conformisme liberticide versus nouvel ordre mondial euh, sur commande recommandé des lobbies pharmaceutiques Madame, la musique de la haute finance internationale hégémonique l'étienne ci moi créer le mal et la prétendue solution incertaine Bon, de ne dafa susciter la mécanique de la peur et la psychose permanente ndax ñu préparer les esprits a accepté l'idée d'un vaccin obligatoire et le tour sera bien joué. Ni plus ni moins. mouille le Sénégal Kiman. les principaux pouvoirs politiques qui se sont succédés jusqu'ici ont manifestement failli à leur mission régalienne n'ont jamais voulu écouter d'un iota Cher Antonio, le comité panafricain, grand savant, scientifique, égyptologue, historien le plus élevé de tous les temps. Qui fit sévit par de par des décrets présidentialistes, inflationnistes, automatiques qui nous servent de gouvernance ethnique moule potenta, en chair et en os, les nids vertement. Il est temps que nous abrogions presto illico, nous abroger la conscience moribonde qui a un caractère totalement blasphématoire. À défaut du le mal endémique ira nécessairement en pire depuis une justice de carpette et aux ordres s'écarte dangereusement de son chemin n'est que le jouet et aux attaches d'un malfaiteur waaye qui Afrique surtout dite honteusement francophone les les médiocres de référence font l'histoire à la place des bons minoritaires Qui sont nous Qui sont nous des procès présumés judiciaires interminables, cataclysmiques, surréalistes à sens unique Badalobi qui di ci def des surenchères yoo xam procès mbir yo procès soubassement politique Yo xam ne contradiction ndax ci ay tappale la nek, c'est coupable Yohanné xam dans son enseigne franc-maçonnique circule en toutes circonstances et librement en toute impunité depuis Jérôme ñatti at décret présidentialiste de l'habitude la cour de répression de l'enrichissement illicite décret présidentialiste Yohanné, cour bobu une cour martiale unique au monde digne de la Stasi conflit d'intérêts qui est totalement illégal juridiquement, moralement, politiquement et politiquement. Une arme politique de guerre confiscatoire à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Kokumoy, le prédateur tonitruant autocrate de la mécanique des décrets présidentialistes inflationnistes, yonom nekuchi, pouvoir régalien. Ndak, de piétiner le suffrage universaliste Vous voyez, le Sénégal nos hôpitaux nous sommes des mouroirs à ciel ouvert kon ki mal à faire n'écoute un absolutiste machiavel traître dans l'âme jusqu'à l'abîme Mouy Macky le multimilliardaire des postes de nomination multiresidiviste, nga a ne président des pays développés Quand on un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mon oeil. mon œil, il y a lieu de parler d'un cafarnum ou un amas de cafards et de vers de terre tribalistes baveux qui cogitaient, dit le caïd putschiste clinquant clanique l'homme de la surcharge pondérale du l'entonnoir colonial ou le caniche de l'Occident n'est de qu'au de la démesure et la débauche dont l'immoralité n'échappe plus au commun des mortels. Par sa lâcheté innée, inégalée, inégalable, vous corona Anna, voyez des day qui ci ses propres lois indignes, ethniques et iniques nga buñ ko la même loi comme du ma sa génn ci des circonstances aggravées il xam bénéficier incontestablement d'une peine incompressible de 30 ans et plus pour multi crimes financiers et économiques et perte de ses droits civiques sa place me au palais waaye à son Guantanamo yéen waa Sénégal ak sénégalais ak Sénégalais yi nekk ca ak les sénégalais de l'extérieur ñu tuddee ñu leen di tuddee les sénégalais yoo xam ne ay jàmbaar yu mag lañu maa ngi leen di nuyooti te di leen gërëm te di leen sargal ci déglu bi ngeen déglu yen ngalama yéen amu leen morom ngi remercier aussi nos auditeurs ak sunuy auditrices góor ak jigéen mak ak ndaw fàttewuñu kenn noo ngi gën a remercier aussi le meilleur sentinelle ci Sénégal nga xam ne gor yi buñ dee def seen waxtaan ñu tuddee ko l'info autrement te nu bokk ci ñu koy def altine ak alxames à partir de 16h GMT heure du Sénégal nga xam ne gor yi dañ ci def des rediffusions par les audios très audibles toute la semaine sans répit ndax de yi dañoo une question de fibre patriotique de pédagogie d'abnégation de dévouement et d'altruisme ndax dañuy mettre à à sac, les mystifications du label menteur professionnel profanateur mécréant franc-maçon Fatena, na li à défaut et par dépit dans des conditions totalement exceptionnel, inédite Les lo xamné ko ndax ci loolu la nekk ndax bien entendu vous le devinez le kleptocrate des horloges agitateurs très teigneux en place nga scrupule de d'humilité peu ou prou couvrir dans son fort intérieur qui est qui est en totale putréfaction Macky c'est un accident de l'histoire ndax Macky est plus dangereux qu'une enzyme Ouais, toute sa politique de côté qui ci ay appelé' ndax le pouvoir Nous avons appuyé tous toujours sur ces justiciers qui sont très prompt à agir pour le sale boulot nous nous ne ces armes de guerre Vous voyez, nous nga nous à travers les ondes de notre radio, sunu Si nous parlons de ñu paree nous sunu waxtaan wi ñu tudd ñu tollanti indi ñu en toute objectivité ñu indi ñu ñu la voix des jeunes manam Batundaouni, ndaw ñi ak gor yi di ci def réflexion remarquable prodigieuse yoo xam ne ñu ngi koy tàbbal ci sénégalais ak à travers les ondes de notre radio sunu FM la première radio panafricaine nekk ca Californie muy sunu radio exceptionnel bu mag bi de renommée internationale waaye ñun ñi nga xam ne ñoo ci CPC xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ñun daal li nga xam ne moo ñu yitteel un état régalien de droit moom la ñu bëgg séparation des pouvoirs la ñu bëgg une justice impartiale la ñu bëgg non soumise de manière que chaque fois que koo xam ne dangaa gis loo xam ne dalaa naqari nga wax ko te doo ci am benn sikki sàkka ndax doo am une épée de Damoclès boo xam ne mooy peser sur ta tête li nu bëgg mooy un contre-pouvoir libre souverain libre et indépendant ndax sans la liberté kenn ne peut se dara lu jag waaye baadolo bii nga xam ne moo nekk l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique et accrédité à Dakar moom day lu mu wax ndax ci 2012 ba tey nous avons assisté à une république des scandales et ses casseroles torrentielles nga avons du avec le summum d'une dictature qui tourne plus que jamais en plein régime intégralement négationniste d'apartheid nga avons qui ci ay jour par ci la ci la ñu nous waaye ñun ñi nga CPC loolu beaucoup ak vision de la démocratie waaye suñu réew mii le Sénégal lu un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance Waye la servi cure ndax occulter la dépendance dynamique muy Macky qui est le champion de la rupture aléatoire et de la corruption nga xamné le chantre du népotisme et de la pagaille waaye voyez, presse bi nga xam ñoo fi se déchaîner pour un oui ou pour un non et de façon péremptoire abusive ñu doon ko sur l'ancien régime bu Abdoulaye Wade qui en avait naturellement pour son grade Nous ko doon de tous les anathèmes du monde et de tous les péchés Voyez, curieusement la même affluence répugnante nooseya bont danoo xiifoon lol ba tàggoo ak seni sago waye tey bi pen wuré dañoo changer curieusement seeni peau waye nak dañuy garder seni nature ndax dañuy crypter les discours du label menteur nga xamné badolo bi buy briser de plus en plus euh, euh, les consciences abîmées la même servilité dañuy changer de tonalité et de sémantique waye préfèrent préfère parler de gros morceaux pêchés alors que euh, corruption la corruption, ñom ñoom seen yoon nekku ci ndax badalo bi nga xamné day tag l'apologie du nazisme monétaire manam l'ingérence monétaire coloniale ndax amut ben yoon euh, euh, un yota de patriotisme amut ben fiscalisme te amut ben euh, euh, panafricanisme ni de civisme peu ou prou ndax mo déclaré la monnaie coloniale est bonne à garder bi penouré mo Alassane Ouattara bok fexé nañu ba tapal défé né ñi ngi nax nit ñi ñu né dal des CFA bi éco bi dana ko remplacer té éco bi nous dana ñëw bu baax té su boba day gëna euh, day dañuy gëna délo ginaaw ndax ci corona virus bi nga xam ne Quand fi euh, bonnet blanc la ak blanc bonnet waaye ñun ñi nga conscience patriotique pour le changement xam sa réew sous l'acronyme CPC noo ngi la gestion népotique et gabégique du Sénégal par un parti politique une coalition de partis une famille te peu ngi bu l'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille paresseuse piccatique avec son clan boo xam Badalobi, de bi da des postes de haute stratégie nga xam Mirmi, buñ ko corporatisme le ethnique Badalobi, bi takkal dans toutes les structures de l'État sénégalais vassalisé jusqu'à la comme si les compétences et les expériences des CV bidonnés de Ramassi se mesurent scandaleusement et exclusivement à l'aune des mêmes particuliers, euh, des mêmes patronymes particuliers bien sonnants. voilà la conviction surannée du négationniste Macky Sall qui foule du pied les affaires de la cité, mouille le traître en chair et en os qui le prouve matériellement sur le terrain du crime la médiocratie et les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar et au nom de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le binôme des mystifications indignement idiocratiques te l'olu, Mariam Faye xam Kitara ci ak a nommé plus qu'un village entier portant les mêmes patronymes particulier visiblement bien sonnant loolu sax na ba nga xamne ñun ñi nga xamne ño nekk ci CPC li nga xamne dal daal nu bëgg il faut que ñu changer suñu Sénégal gi dans le sens des progrès exponentiels ndax bu nu man nañ ko ndax ensemble tout est possible toutes les ressources humaines mi ngi fi jàngkat yi ñi ngi fi experts yi ñi ngi fi scientifique yi Mingi fi dara manki wu fi li fi manki kay moy bolo am bolo mo fi manki bu nu fexee ba nga xam ne ñi bëgg suñu réew mi moo ëpp fuuf wor yaakar nañ ne suñu jëm ci kanam une minorité cartélisée ñu leen di tek ay kilifa ñuy nangu réew moomu wax dëgg yàlla luñ ko teg dagan na ñun ñi nga ci CPC ci porte drapeau étendard yi nga xam ne dañoo bëgg tanki réew mi ci tànk yi nga xam ci le pays émergent yi nekkee ndax ñépp xam nañ ne su fi notre radio suñu kër amutoon àdduna tukki ndax képp koo xam ne yëkkati nga sa kàddu nga teg ko ci dëgg indi ci des preuves yu leer nañ nga xam à l'appui kooku daanaka bala moo pare eh, baadalo bi day déglu te dana yónni c'est tonton Makout nous devons ko un mandat de de dépôt voyez, les fonctionnaires politiques Yo sont mercenaires alimentaires Ils dañuy xam di di loxo ak di di se transforme en sarabande de vers de terre bave nga des symboles maléfiques nga xam ne yoo xam ne des traîtres baveux unifiés dans l'âme boivent sans répit le calice jusqu'à l'ali du haut de leur rang dañuy dund ci mbàggum suñu réew en toute circonstance en toute impunité nga xam ne dañoo tàyyel waaye nag li ci gën a doy waar mooy ne taris pas déloge à l'égard du fasciste encombrant en place lequel paraît-il n'a pas de défaut mais rien que des qualités mu nooy te gëmuñu ci dara Waye baadoolo bi day yoonam nekku ci ndax day jël ses propres intérêts mu bolé ko avec ceux ño xamné ne day duñu wax ndax dañuy jëf nga xamné ñukoy def au nom de la stratégie géopolitique nun nak dañ naan résignation fatalisme lool motax li fi nekk rek di fi nekk

le label du foutoir en chair et en os qui fut euh, peint ba sous le défroque victimaire de l'heure nga qu'il 2012 ba et ce sous la baguette de la référence propagandiste mondialiste de l'arbitraire nga Denis Djoko en jointure avec le vacarme historique historique de la servilité endogène en place ñuy wax Macky Sall Alassane Ouattara les personnalités les plus influentes de la planète entière C'est une affaire paternalisme la waaye C'est bi di nga que euh, le label the nga continue de jouer nécessairement sur le piano américano-français waaye nak yoonam nekkul ci à nos attentes Présente, sociale urgente il n'en a cure et s'en fout de tout et n'en démord jamais il passe tout son temps à restreindre drastiquement la liberté d'expression Il briser les consciences abîmées présumées de l'heure Il yemul ci du matériel de répression à sa clientèle préférée té ñooñu dañ koy sant di ko jaay ndax loolu c'est la logique waaye nag les populations sénégalaises siphonées astiquées ñu leen di considérer comme un matelas financier extensible ñu leen di cribler d'impôts et de taxes de toutes sortes ñooy fay bor bi te bor bi dis na gann te li ci gën a doy waar mooy yet wi ñuy duma noo koy jënd te loolu Afrique dong la am kon suñ réew mi nan ko changer ñu def ko en action matériel nga xamné sun réew mi lépp loo xam ne daf koy def mu def ko ci boppam ndax sunu Sénégal gi retrouver sa dignité sa plénitude ak son rayonnement ne lu muy sur des bases voulues à l'instar des nations émergentes la répétition est pédagogique du ma tay di ko hier comme aujourd'hui depuis 16 ans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 notre média est devenu comme jamais un phénomène de société, reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'Omerta, en, particulier la gouvernance politique, bancale, indignement ethnique que les médias serviles du service public, les mêmes patronymes particulier visiblement bien ñoo fa nek te lolu gis nañ ko ci la maison présumée de la presse te lolu mo am ci euh, RTS la radio télévision Racine la Macky Sall te lolu te lolu mo am ci APS te lolu mo am ci le soleil jant bi nga xamne te ya xam bay day mat waye day nga toute la presse privée ak publique tous passent au peigne fin. Tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques, soumis aux ordres monopolisés par le pouvoir calamiteux, torsionnaire, usurier de xam Nopi, di seg di Toub, nga xam ne dañ leen di nous nous patriotisme te amuñu civisme nga xam ne seen bopp rek lañ fi pour ses propres intérêts crypto personnels Nous nga xamné ci lolu lañu nek waye nak su bu mag bi tant par la qualité des informations qui sont largement publiées à travers notre site sunuker.com que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises nga xamné ñoy à travers les ondes de notre radio Sunuker FM l'avant-garde du civisme et du patriotisme te loolu wax en toute humilité te loolu dafa nekk une exclusivité de notre site sur ak sunu rajo bu la première radio panafricaine de renommée internationale nekk Los Angeles Californie vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations capitales utiles les plus importantes si diverses et variées par leur qualité éminemment prouvée surtout celle qui relève incontestablement de la géopolitique internationale qui contraste avec la platitude manifeste de la servilité en place nga xamné dañ daganal le bilan si chaotique du négationniste ethnique révisionniste et dont l'immoralité malodorante sans égal exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN. Évidemment, il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur profanateur, mécréant, franc-maçon à la matière qui ment plus qu'il ne respire Vous sunu Sénégal gi Sénégal, ma y a ko wax du génn ci pénombre bi éduqué paix infernal je nga xam ne depuis 8 ans il faut que nous réglions le compte du traître Macky Sall himself en chair et en os et sa bande de fouilles-pouilles alignées. Nous lu nu mën def du jar ndax notre rajo suñu kër yoo xam intellectuels d'hommes et de femmes ñoo ci tous sont de gros calibre nga xam doués en matière grise s'expriment librement en toute en toute connaissance de cause en toute conscience nga xam ne bu su yàlla sàkk dañuy démontrer magistralement intellectuelles. capacité intellectuelle ndax ñoom ñëpp dañoo nekk des têtes bien pleines de dañuy et décrypter l'actualité internationale et nationale et font part de leur expertise sur les produits toxiques chimiques, notamment les faits divers scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux et politiques. Sans oublier les sensibilités patentes dont sont coupables les politicards véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. ndax avons oublié la boîte de Pandore à certains citoyens sénégalais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 duñ ci génn waaye ñun ñi nga ne CPC bëgg sa suñu principe daal ñu rassembler autant de patriotes sénégalais ak sénégalaises autour de pour cela il faut que ñun ñëpp ñu indi ci indi ci patriotisme indi ci civisme ku indi ci sa xalaat bu rafet ñu ci la démocratie participative la volonté politique de chaque sénégalais ak Sénégalaises. nga le phare de la démocratie plein développement économique politique militaire financier amphi, son soldat si ñu jox moyens extensible des moyens matériels ndax assurer la sécurité de nos frontières aériennes et terrestres et la liberté de circulation des biens et des personnes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

waaye baadoolo lay dey sen yo nekku ci loolu moo ñu nekk ci suñu combat légitime te damay mas di wax ne te ci lolou lay nekk inshallah bu soba yalla il faut que ñu réformer impérativement le régime présidentiel moribond prédateur ñu remplacer ko par un régime parlementaire bi fi nekkoon leneen lu ñu mëna def day nekk lu un coup d'épée suñu Sénégal gi ñu gën ko remodeler gën ko tabax gën koo bëgg ñu des principes démocratiques et des institutions fortes inviolables respectées par des patriotes sénégalais ak sénégalaises imbus de la fibre d'honneur Nous fi am une gouvernance irréprochable boo xam ne kenn dutu ko te notre tâche primordiale kon créer les conditions obligatoires boo xam une véritable gouvernance politique, économique, saine, transparente, financière, attentive, c'est li nga nous ne mooy nos intérêts nationaux vitaux incessibles et légitimes pour toutes ces raisons il faut que nous mettions ci le pour de véritables sentinelles sénégalaises Madame ay de manière que nous avons créer une impulsion dynamique pérenne cela étant dit il faut que nous cultivions le patriotisme la démocratie la justice sociale la justice tout court l'éthique l'unité nationale am fi sécurité am fi de lu ci manqué dara du xew waaye ñun ñi nga xam ñoo nekk ci CPC xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ñun daal ci la ñu nekk la ñu nekk ndax il faut que nous rehausser de plus en plus l'étendard de nos valeurs pour cela avons nous devons nous inspirer et puiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur Yo xamne ay soufi yu mag lañu te dañoo màndu ñu tëdd ci suñu digg dëkk bi ñu jàngale seen xam-xam ci suñu université yi ci suñu collège yi ci suñu daara yi ak ci suñu école primaire yi te bu nu aussi suñu jàmbaar ju mag ji muy Lat Dior Ngoné Latyr l'homme de la résistance armée muy notre héros national qui combattit farouchement et héroïquement l'armada coloniale pendant 24 ans, malgré la supériorité numérique et matérielle a versé son sang et marqué d'une empreinte digitale sa vie, a livré des combats acharnés, combats humétiques face à l'armada du colonialisme repoussant. Moulad Diorngone Latir notre héros national, qui tomba sur le champ de l'honneur, les armes à la main, à la bataille de Dekhle, le jeudi 27 octobre 1886 avec deux de ses enfants majeurs Moutiendala la nyabas ak Sakhewar nyabas ndax beaucoup de ces guerriers ils laissèrent leur vie yana y a des xare qui ont combat dernière bataille historique boobu nga mon ne qui déclare ci voyez, sous sunu Sénégal a démb en tout cas, ci Kajor, ci bir Kajor dal, n'importe qui dal ne pouvait pas prétendre le titre de damel du Kajor. Ndax ci jamono joju dal so beugé nek damel du Kajor, li nga wuyo dang koy nuru. Ndax ci jamono joju, il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance. Te do titre ndax da nga waram fitu gaynde. Nga xamné da nga wara nek un homme de poigne. Nga xamné do massa trembler comme une feuille morte. Da nga wara subir beaucoup d'épreuves d'endurance nga avons da combattre en même temps sur le terrain des hostilités te Lat Joor Ngoone à l'âge de 15 ans mom rek moko def Waye ci sunu Sénégal gi nga des temps modernes méconnaissables aujourd'hui nos soi-disant présidentialistes de la République des ténèbres tous presque dañoo que des multimilliardaires par des raccourcis des postes de nomination tan sa bu te ki muy saay-saay bii nga xam ne dafa ba doyle dafa fen ba jàll nga se réduisent en roitelets pour n'être que des abrutis poltrons des clowns de pacotille entourés de garde-corps nga se donne la qualité de dirigeants imaginaire yoo ne wax ni de près ni de loin nos gros calibres intellectuels yo xamné Cheikh Anta Diop ak Mamadou que encore ndax borom xam-xam yi bari il faut que nous cultivions le civisme chez les populations le civisme c'est le reflet sens de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société le civisme implique le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique ndax soo amee ay droit da nga war way Nous devoir waaye Macky Sall de mom yaakaar na ay droit rek la am to noonu ñi nga xamné ñoo ci l'avant-garde des consciences yi nga ne bëgg exclusivement sur la chose publique te loolu une vaste campagne de sensibilisation massive boo xam chaque euh, sénégalais foo mën a ak sénégalais foo mën ci le devoir moral nga xam nga armé wu de vote nga xam ne ki nga défendre librement en toute logique en toute indépendance moy ki nga xamné ne par moy défendre par son altruisme l'intérêt général ñu wartel ko su fekkente ne bii amna waye ba na bi baadoolu day ay carte day motax mu falo. waye nak mom yaakar na né ay carte du ko fal ndax dafa fen ba jall ndax ci loolu la nekk ndax ci ger ci la nekk yaakaar na ne moo ko jig ndax Macky Sall est réfractaire à la démocratie ndax suffrage universaliste day def koy piétiner ndax da koy fouler du pied il faut que quand nous génn nos armes conventionnelles pacifiques nous contraindre par la force mu neex ko mu naqari ko ndax moom ci boppam maanaam day gis ne Alassane Ouattara et compagnie dañuy gis ne l'issue des scrutins de Pakouti se joue nécessairement dans la cour des voleurs en bande organisée ndax dañoo am ginnaaw ndax dañuy gis ne une simple formalité administrative qui passe comme une lettre

ndax la qualité nak est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence yokkute am fi ci jëf ak ci jikko won ko askan wi bu ci mag les véritables sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues et qui compense par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politique politicarde plutocrate multimilliardaire des raccourcis politiques ndax centenaire sénégalais qui s'expriment à travers les ondes de notre radio sunukeur.com ñom ñep dañu am une logique crédible patriotique nationaliste bien placée qu'elle distille peu à peu dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal gi aille de l'avant ndax ci sunu Sénégal gi top ci tanki les grandes nations émergentes nga xamné ne ku len toog ñu di yow bam te loolu kenn du ko jaawaatle ci suñ rajo bi mag bi nga ne quant à elle historiquement et présentement elle est par définition la référence exemplaire et à la différence d'une certaine caste servile stable de référence s'accommode mécaniquement et hystériquement par la, par la désinformation et la manipulation n'agit qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire négationniste et de son chien valet, menteur professionnel,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 au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres ndax sentinelle sénégalais yi ñoo nek fiñu nek ndax ñoo nek fiñu wara nek a nga xam ne dañoo wuute ñoom li def dafa wuuteeg les minables politicards yi nga xam ne qui pensent par leur insuffisance criarde ndax dañuy xam nopi di talal seeni keul ak seeni loxo te los te gor yi nga xam ñoy wax à travers les ondes de notre radio sunuker point com nekk ñu fi rek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 Madame la CDO est à son image d'épinal qui lui colle à la peau comme que le dialectique national patriotique interactif mette à terre ce régime fantoche prédateur délinquant capitulaire incompétent clientéliste et corrompu par définition Madame, li de l'OIA l'organisation organisation de l'unité africaine à l'OIA, Manam, Union africaine où le troupeau tendu qui s'effiloche peu à peu comme une peau de chagrin reste fidèle au précaré colonial C'est kat que fi veux dire. ci kon avant ñu ci bi commençons d'abord par le décryptage avec un grand G en majuscule représenté par cette prétendue structure bidon à l'échelle supranationale africaine ou la face cachée d'un symbole du mimétisme à la renverse. La n'a qu'une existence virtuelle et n'a jamais valu son pesant d'or et pour cause voyez bizarrement le tire-l'œil se met en scène et devient étrangement très bavard par son vacarme surréaliste fait son show et son spectacle au lendemain de la capture d'Ibeka, une des fétiches de l'entité franc-maçonnique en bande organisée, Gahamne et sous bonne garde et en résidence surveillée par la junte militaire. Gahamne, qu'importe la pression, le chantage et les dérives incessantes de la CDAO qui s'abattent sans trêve sur elle, Madame Tijante militaire malienne, cette dernière reste plus que jamais impassible, tenace, coriace, et ce, malgré la campagne de diabolisation et les tempêtes de dénigrement systématique. Gahamne et la solidarité de classe d'un écosystème en vase clos et ses incantations stériles des tirs groupés des guignols pantins satellites, tous marqués un feu rouge, réquisitionnés, bridés pour les besoins du sale boulot et sur commande recommandé et la survie de qui point d'interrogation le bob le posé li nga vous ne la le 25 mai 1963 sous la houlette de Kwame Nkrumah à premier 30 pays africains réunis en conférence dans la capitale éthiopienne ont créé l'OIA. Maintenant, l'organisation de l'unité africaine chargée de promouvoir le panafricanisme à l'échelle continentale voyez le 24 février 1966 en visite officielle en Chine le leader panafricain est renversé par un coup d'état militaire Mouikouame Kuruma. selon les informations bien établies bien documentées pourrait être cautionné euh, par les ordres de la première puissance mondiale de l'époque Madame, comme de la CDO, nous sommes aussi Djarti Oya, OUA wala BUA Union africaine li nga la même marionnette fidèle à elle-même incarne le mal absolu depuis les parodies des indépendances formelles de la décadence dynamique nga savez aura beau changer sa nature aider à garder toujours et nécessairement sa peau dans ses vertus machinalement et mécaniquement à compromettre dangereusement les intérêts africains vitaux et légitimes et ce au profit de nos oppresseurs Gahamne, euh, dans son rôle de supplétif passif euh, euh, Madame de garde-chorme et de coquille vide ne peut se soustraire de sa trajectoire contradictoire. Euh, par sa platitude manifeste, agit à contresens de l'histoire et à l'encontre du panafricanisme. lol moo fi Montardel, tardel Afrique de l'OIA à l'Uia, en passant par la CDO, que sais-je encore la même servilité Manam bu Setlo, ko c'est du pareil au même Madame, dañuy tàll en bande organisée nga est tenu en laisse s'accommode à la plate-bande suprémaciste impérialiste si complet dangereusement sans corde en accordant son violon à la tenue du maître de cérémonie nga qui s'érige non seulement le chef d'orchestre chorégraphique mais le maître des lieux Vous li ci que doy quand l'Europe a créé créer l'Union africaine euh, euh, l'Union européenne nous def ko le 1er novembre 1993 ñu def ko ci Maastricht ci Pays-Bas la référence farandole endogène par mimétisme suit textuellement le pas et copie servilement la structure européenne et sans vergogne te lolu buñ ko setlo il en est de même euh, pour la majorité des pays africains notamment tous soumis sous tutelle en, tête desquels les putschistes corrompus ne comprennent d'aucune moralité, peu ou prou, agissent par devers sans foi, ni loi, ni scrupule, s'accrochent mordicus par devers au pouvoir héréditaire, comme un legs divin, où la démocratie se conçoit exclusivement de père en fils ou sous la bénédiction du gendarme colonial omnipotent, apparaît expressément sous ...aveugles et mieux. nga les protège à coup de logistique pour ses propres intérêts en échange de leur docilité renversante ...ils dañuy passer à la caisse euh, de Patrice Lumumba euh, le 17 janvier 1961 ...à Katanga un peloton d'exécution fort de quatre hommes armés euh, de stengus, vignerons et de fusils, et de fusils FAL se tient en attente, alors qu'une vingtaine de soldats, de policiers, d'officiers belges et de ministres katangais regardent en silence. Voyez, un capitaine belge de donner l'ordre de tirer et une salve énorme fauche. Patrice Lumumba, l'ex-premier ministre congolais, qui a déjà été maltraité. Voyez, voyez, deux ans plus tard le président Sylvanus Olympio qui a été élu démocratiquement par les Togolais a été assassiné le 13 janvier 1963 C'est président et les coups d'État qui s'amoncellent jusqu'à l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir par les fourgonnettes étrangères Dixit l'avocat Jacques Vergès, n'a jamais suscité aucune émotion ni condamnation peu ou prou de la part de la CDAO qui est très bavarde et très impliquée directement sur les affaires du Mali, un pays libre, souverain et indépendant. Voyez, la soi-disant solennité se garde bien de se rendre en Côte d'Ivoire pour sermonner l'aventurier qui a eu du kilo par ses dérives exponentielles. Voyez, pendant ce temps, muy Alassane Ouattara bi nga xam dafa violer la constitution ivoirienne se présente à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 dafa radier impunément Laurent Pago et Guillaume Soro de la liste des candidats kon xanaa kon dafa am ginaaw te loolu doyna ki man. Manam kon de nañu wax ci sunu réew mi waaye ñun ñi nga xamné ne ñoo nekk ci CPC xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew nous déclarons nul et non avenu le dialogue satanique d'un troisième mandat boo xam ne Macky loolu moo tax dialogue te lépp loo xam ne daf koy def ay tappale la ndax da ci am des erreurs pensées mal placées comme nous ne nous laissons pas divertir par la par la com des charniers de mensonges cataclysmiques et sur fond de trahison comme sous bassement de bas étage te à ce prisme là nous avons été jusqu'ici patients charitable et point d'être ridicule par notre torpeur généralisée à l'échelle nationale, qu'on soit donc unis et debout et fiers de nous-mêmes à l'endroit et à la place qu'il faut. Car nous n'avons pas d'autre choix que de changer le rapport de force et d'en découdre face à ce nègre de service et sa bande de torchons, de canailles, torchonnaires qui nous enquiquine, nous nargue, menace notre survie et notre existence, nous gouvernent contre notre volonté et agissent en toutes circonstances et en toute impunité depuis, hélas, le triste, regrettable soir historique du 25 mars 2012 à nos jours de Pour ce faire, appliquons l'action dialectique, patriotique, interactive si nous voulons mettre un terme à ce régime de cafarnum fantoche capitulaire qui n'a que trop duré question bobu loolu vous war le dialogue du politiquement satanique incompétent et absurde ne vaut rien n'a aucun sens n'est pas productif si ce n'est l'esclandre d'un aventurier insolent qui n'en démord jamais Madame on marche décidément sur la tête on est bien dans l'absolution permanente des consciences et dans une fuite en avant avec un déni de justice tendant a donné un caractère légal à un voyou qui ramène tout à lui de son espèce, digne de son espèce, pour se donner une posture de caniveau. Voyez, li nga cumule euh, des fonctions de chef d'État et de chef de parti, opposition mom lañu wax premier désaccord au sein de la commission politique. De nous l'avions déjà dénoncé depuis fort longtemps. Ñun ñi nga xamné ño CPC l'éternel discours est tombé sur les oreilles d'un sourd muet et aveugle Madame, ne nous rends pas le minable escroc ne peut scier la branche sur laquelle il est assis face à des dictateurs corrompus et incorrigibles li nga xam compte, le rapport de force sur tout Quand Maki, il faut le virer avant qu'il ne soit trop tard en lui mettant une muselière et le mettre hors d'état de nuire et l'amener de force de son gré, malgré, dans un camp militaire où il sera en résidence surveillée et sous bonne garde, à l'instar de son compère Ibeka, adepte de la même secte maléfique. Dans ce dernier, s'il a eu euh, créé tant de bruit, de fait bénéficier du soutien indéfectible de la CDAO, qui est dans la même caste maléfique, c'est parce qu'il fait partie de la galaxie des francs-maçons C'est ce ci je veux li nga comme le disait Nicolas Boileau ndax daf ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement Mais si on ko dit ba seetlu ko ci sunu dëkk bi il n'est pas le premier à le dire ndax un adage de chez nous dafay wax ne euh, da dafay wax ne waaw day leer naññ da nga koy wax bu leer naññ ci suñu digg pénc mi la suñu adage wax kon loolu yemo dafa yemo Nicolas Boileau l'écrivain français di wax waaye ce qui n'est pas le cas du menteur professionnel franc-maçon himself muy Macky Sall ndax la vérité du peuple ne compte pas pour lui maanaam seul compte pour lui c'est mensonges perlés de plus en plus ndax il est une fois de plus pris la met dans le sac ndax mësta respecter sa parole donnée de Yota. ndax qui ne dit rien consent ndax ci Macky def ndax entretient délibérément le flou et le fou suspense et pour cause Qu'on soyons vigilants et sur nos gardes réveillons-nous de notre somnolence qui n'a que trop duré ndax point n'est besoin de dialoguer et quel dialogue L'imposteur veut-il rempiler, cristalliser les esprits autour de sa personne qui s'est fait de lui-même et s'attribuer lui-même des faveurs illégitimes Son dialogue est une entreloupe inacceptable. C'est parce qu'il n'entend nullement prendre sa retraite politique à date échue qu'il se, le tienne pour dit Macky Sall en vérité le tourniquet n'a que des intentions malveillantes ndax da cee am des erreurs pensées et un calendrier euh, politique mal placé caché kooku maanaam madame Macky dafa bëgg a jox boppam ci dialogue bi du crédit qui n'a pas sa raison d'être te loolu ko ba ko c'est aller à contresens de l'histoire qui constitue à lui accorder des circonstances atténuantes et un plan euh, sincère mal placé alors que cela n'a pas sa raison d'être Quoique moins, l'abruti singulier qui est fidèle à lui-même ne change pas d'une seule virgule de sa trajectoire totalitaire n'est jamais une sainteté n'a jamais incarné ce qu'il prétend être ce qu'il prétend être est totalement disqualifié de fond en comble Madame Wainak développe à chaque circonstance exceptionnelle des charrettes d'ineptie et des sujets de diversion à laquelle par la mécanique huilée de sa sarabande euh, corrompue de la tête et bien te loolu la ci te loolu la ci jublu waaye yaakaar naa ne loolu du jàll ndax ku mus ren démb dañ daan nax li nga xam ne daal moo ci nekk kooku mooy première condition bi nga xam ne fi d'abord quoi qu'il arrive le principe de précaution doit être un préalable de tout dialogue politique véridique n'a de sens que si on exclut d'avance l'autocrate à la présidentielle de 2024 te loolu cela est la condition sine qua non de rigueur n'est pas négociable ni de près ni de loin, sous aucun prétexte. Deuxièmement, le maintien d'Ali l'acteur principal politique et ministre de l'Intérieur, nga représenter haut risque Il reste comme jamais une épée de Damoclès nga monne et les yeux et les oreilles auprès de l'autocrate Mouy Macky qui est chef de parti juge et parti et déclaré persona non grata dans le paysage soi-disant dialogue de la Russie. À défaut, Maki, bu il garantira nécessairement son impunité nga voyez, ci s'il reste à son poste c'est nga xam ne c'est aller en guerre et la perdre il n'y a aucune discussion possible à défaut ci loolu la ñu nekk troisièmement il faut que nous auditer absolument le double fichier électoral opaque contenant 1 million cinq inscrits illégalement inscrits nga xam ne au contrôle du soi-disant conseil constitutionnel anticonstitutionnel Quand vous gagnez maa ngi leen jox rendez-vous talat bi di ñëw inshallah allah ci sunu waxtaan wi ñu tuddé xew-xew mi nous koy faire à travers les ondes de notre radio sunu FM la première radio panafricaine nekk Californie une radio exceptionnelle, de renommée internationale